site d'information sin TV nekkee fi ci diwanu fatik un le lu stack les plus lu jëm ci walu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information il est di à ay vidéo yu muccu ay bi nga top les plus top qui lu jëm ci actualité Sine TV nek fi ci diwanu fatik togal fi région bu fatik ak Sénégal sin TV joko dial député membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, membres du Conseil économique, social et environnemental, messieurs les présidents du Conseil départemental, mesdames, messieurs les maires, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, des organisations d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs, d'associations de femmes, de jeunes et de la société civile, notabilité religieuse et coutumière, chère population du Sine, population de Fatih. Je suis heureux et ému. Et je voudrais tout d'abord saluer les populations, hommes, femmes, des populations qui sont des hommes et des femmes d'honneur, de dignité et de courage, mais également pétries des valeurs de loyauté et de générosité. De cette terre de valeureux à l'hospitalité légendaire. Chère population du Sine, je vous exprime en ce moment solennel ma profonde gratitude pour votre attachement indéfectible à ma personne et votre adhésion totale à mon action. Je voudrais à mon nom, au nom du gouvernement, vous exprimer ma vive satisfaction et mes remerciements pour la mobilisation exceptionnelle et l'accueil plus que chaleureux que vous m'avez encore réservé cet après-midi. Et je tiens à rendre un vibrant hommage à tous les chefs religieux et coutumiers de la région, aux responsables politiques, aux acteurs économiques, sociaux, culturels, aux femmes, aux jeunes, sans oublier les brillants intellectuels du Sine. Issus de l'ancienne région du Sine Saloum, avec la réforme territoriale de 1984, la région de Fatigue a connu un nouveau découpage administratif en 2008 qui lui confère sa configuration actuelle. Cette belle région, avec sa façade maritime limitrophe à quatre régions ainsi qu'à la Gambie, a fortement contribué à la cohésion nationale et au rayonnement du Sénégal. Et de par sa position géographique, stratégique et la richesse de son patrimoine humain, naturel et culturel, Fatigue et sa région demeurent un territoire de référence à fort potentiel. J'ai décidé d'y tenir le huitième Conseil présidentiel territorialisé, concept qui a été lancé à Matam le 15 juin 2021. Les conseils présidentiels territorialisés, je le rappelle et j'y insiste, traduisent ma volonté de toujours décliner des politiques ancrées sur les réalités et les priorités des terroirs. Autrement dit, ces rencontres de concertation et de décision illustrent une vision de transformation des régions administratives en pôle de développement endogène et homogène à travers la territorialisation soutenue des politiques publiques en cohérence avec la doctrine d'action du plan Sénégal émergent. Chère populations du Sine, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, j'ai toujours élevé en principe de gouvernance la proximité, l'écoute, le dialogue l'inclusion et le pragmatisme pour une action de l'État à fort impact économique et social sur les territoires et leur population. Dans ce cadre, la région de Fatigue avait bénéficié en juin 2015 d'un programme d'investissement d'un montant de 246 647 246 milliards 647 millions sur la période 2015-2017. Ce programme avait pour objectif d'accélérer le développement de la région à travers notamment la valorisation des potentialités agro-silvopastorales et halieutiques, la promotion du secteur de l'extraction du sel, et du potentiel touristique, le renforcement des infrastructures structurantes et l'accès aux services sociaux de base, le désenclavement interne et externe de la région, ainsi que la promotion de l'emploi et de l'autonomisation des femmes. Au total, sur la période 2015-2023, la région de Fatigue a bénéficié d'un montant de 483 milliards de francs CFA en termes d'investissement, soit 196% du montant retenu lors du Conseil des ministres du 22 juin 2015. Je note, pour m'en réjouir, que grâce à ces investissements réalisés, la région a connu une transformation intense avec des réalisations majeures dans tous les domaines, bien au-delà du programme initialement retenu. À titre illustratif, la région de Fatigue va bientôt être desservie par une nouvelle autoroute, celle de Mbour-Fatigue-Kaolack, accentuant la mobilité et les opportunités économiques. Nous pouvons également citer la construction du port de Funjoun, Ndahonga, des routes Joal, Sambadia, Giffer, Fatigue, Funjoun, Passy, Sokon notamment. La construction d'infrastructures, la gouvernance, l'école des sous-officiers de la gendarmerie, de quelques hôtels de ville, notamment à Djakhao, à Tcharendjalgi, à Palmarin, mais surtout la réalisation de la boucle 225 kV mour Fatigue et Fatigue kaulak ainsi que la phase 2 du projet d'infrastructure et d'équipement maritime, le MIEP 2, et des projets liés à la promotion et à l'automatisation des femmes. Il s'y ajoute les projets structurants du PUDC et de Promoville, réalisé pour l'amélioration du cadre de vie, le désenclavement de la région, fortement amélioré par le pont Nelson Mandela de Fundun, l'un des plus beaux de notre continent. Je n'oublie pas les programmes d'électrification, d'hydraulique rurale, l'implantation d'infrastructures sociales, universitaires, ISEB, ENO, campus régional de l'Université du saloum Elage Ibrahim Agnès, campus de Fatigue, les infrastructures sanitaires, hôpitaux, centres et postes de santé, et l'intensification des aménagements et de l'offre touristique avec la réalisation de nouveaux réceptifs hôteliers. Au demeurant, nous comptons aller à l'échelle, faire plus et mieux dans la perspective de l'exploitation optimale de nos ressources naturelles, notamment celles pétrolières et gazières, mais aussi de la valorisation notable de notre précieux capital humain de qualité qui justifie amplement notre foi en un avenir radieux. Le présent Conseil présidentielle constitue donc un grand rendez-vous national pour une revue prospective des réalisations pour la région de Fatih. Cette rencontre nous incite à bâtir des convergences pour nous projeter vers l'avenir souhaité par la prise en compte des priorités fondamentales de la région et des attentes fortes des populations, notamment les jeunes et les femmes, qui s'imposent plus que par le passé comme les cibles remarquables de notre action. Nous devons, mesdames et messieurs, ainsi dessiner les contours du développement futur de Fatigue et des différentes localités de sa région autour de sa nouvelle zone économique spéciale qui vient s'intégrer dans les investissements prioritaires sur la période 2023-2026. Il s'agit, in fine, d'accomplir ce saut qualitatif impératif pour une région de fatigue émergente. J'ai le Sénégal au cœur, car j'ai la région de fatigue au cœur. njoko njal kontaan naa ma paax ah waa Fatick yéen a doon wax yàlla yàlla si nekk yàlla si gara. buy tënk lu bëree bëri la monsieur le président vous êtes un homme généreux wane nga ko ñii fi wax ñu bëri ñii seen way jur nga ñii seen mag nga ñii say mag lañu mais ku ci nekk li mu wax boo ko dégloo xam wax dëgg la kon loo leen ji la mënuñu lu dul ñaanal ñaanal la yàlla defal la jàmm defal ko sa njaboot yépp defal ko réew mi yépp ñu leen di wax it nga xam président dina ko décider ci kanam tuuti incha allah dinañ ko def fépp fi mu jaar nañ ko defee woon ci pap ci pap 1 defee ko ci pap 2 ndax bu ngeen xoolee fu mu mës jaar ñëwaat na ci askan wi ne leen lii laa leen waxoon 2015 mille quinze wala lii laa leen waxoon deux lii laa ci def lii moo ci des mais li ci yéeme mooy même fi nga xam ne projet yi am na ci yoo xam ne defuñu ko lañ fa def ci alal ci yeneen projet ndax it loolu la réew di doxee ndax toujours dafa am loo xam ne mënoo ko prévoir da lay bett wala am loo xam ne mënut a ñàkk nga war koo def gox bu nekk def nañ fa benn ba ñaar. ci loo xam ni moom nga leen digoon te li nga leen digoon yàlla xam na ni lu bari la kon monsieur le président ni ko Latif Coulibaly waxee léegi sa engagement sa détermination moo andi lii nga xam ni moom la Sénégal am te nag wax ci dox ci jëfandeeku ko neex na yomb na kon ñu lay sant bu baax di la gërëm di dalal seen xel ni lii nga xam ni président wax na ko wala dina ko wax léegi ci kanam danañ ko def ba mu mot sëkk te danañ ko def ak yéen it yéen ñëpp monsieur le premier ministre monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les ministres d'État mesdames et messieurs les ministres madame le gouverneur de la région de Fatik, honorables participants à vos rangs et qualités nous arrivons au terme de ce conseil présidentiel territorialisé de Fatik. Je voudrais d'emblée saluer la richesse et la qualité des interventions des acteurs territoriaux et des forces vives de la région. Le gouvernement m'a proposé un programme d'investissement public 2024-2026 de 753 milliards je rappelle qu'on est parti de 230 quelques la dernière fois. Je voudrais rajouter à ces 753 milliards, 100 milliards qui permettront de prendre en charge les préoccupations qui ont été prises ici pour développer un hub de services, mais également un hub industriel et qui permettront aussi de prendre en charge un certain nombre de programmes annexes qui ont été indiqués. Donc, au total, le programme validé sera de 853 milliards de francs CFA pour le PIB 2024-2026. Alors,

Dès lors, avant de revenir sur les décisions qui vont marquer ce conseil présidentiel, je voudrais, sur certaines interventions, apaiser et clarifier. D'abord, je voudrais informer que dans le cadre des infrastructures culturelles, nous avions décidé de moderniser le projet d'écomusée de Diakhao pour la maison du Boursine. C'est un projet que j'ai confié d'ailleurs au bureau d'architecture et de conservation de la présidence de la République pour le souvenir et la préservation du patrimoine immatériel. Et c'est l'occasion de saluer une autre fille de la région, Madame Djouga Sila Diouf, épouse de mon frère et ami l'architecte Abou emile Diouf, qui a travaillé avec moi dès 2002, lorsque j'ai été élu maire de Fatigue, avec le projet des 3F. 3F, c'était fonder le, fat, le Fatigue du futur. Fonder le Fatigue du futur. Alors tout ce projet que vous voyez là, ils ont raison, c'était des rizières. moi, j'avais dit, en tant que maire, je ne vais pas construire dans l'ancien Fatigue, notamment le quartier Escale, démolir pour faire des choses tout à fait étriquées. Il fallait prendre une nouvelle région, l'aménager, la, développer, cette, cette nouvelle partie de ce Fatigue aujourd'hui qui nous abrite autour de ce boulevard que Matarba et le conseil municipal ont bien voulu donner à mon nom il y a déjà plusieurs années. Voilà, depuis dix ans déjà. Alors, donc, euh, pour les transporteurs, je voudrais dire à, à Omar Sissé que nous nañu bu baax aussi nous avons de jappeler pour un gros porteur amener partenaire bon, doon amoon wala bok ay camion ci projet CN SNEMTEM xaw ma nu mu tudd loolu mais enfin euh, amone na si jafé jafé ci modèle bi modèle financier bi mais ñu ngi xol ak li ñuy def ak AFTU ci walu transport urbain nan lañ mëna généraliser loolu jotoon na ci waxtaan ak Mbargu Badian pour ñu renouveler parc bi parce que mënoo am ay tali yu baax am ay autoroute ba pare dawal ay auto yo xamné am nañu 40 ans mënul mënul ànd donc à la kulli leen faaw ñu renouveler le parc maintenant pour ñu renouveler parc bi tam foog ñu organiser waat le secteur du transport taxoon ma ne leen il faut ngeen ubbi ko ñu am capital dugal ko si comme ni ñuy ubbee secteur tourisme ni ñuy ubbee secteur économique yépp gis nga xorom si bu njëkk ba jigéen ñi ñoo doon ñëw des gaz, des gaz di di de xorom avec des marais salants aujourd'hui c'est des industriels Aduna non lay il faut donc nous accompagner transporteurs et ak chauffeurs mais il faut que nous xool accompagnement boobu nan lañ koy il parce que tam buy joxe ay garantie du nekk loo pas ne rek daf koy parce que bu joxe garantie te dara sottiwul moom mooy obligé faire pour ay privé li nga xam ne moom def mais instruire le ministre Mansour pour me rôle avec pour le dossier du ministère de l'économie aussi ministère des finances pour nous trouver quand même une solution définitive et durable sur le renouvellement du parc automobile du Sénégal gros porteur, taxi comme transport interurbain Il faut que places je soit am Sénégal parce que c'est dépassé jël ay nit tànc leen comme ay sardine ci ordre buy def sept place loolu waratul am dañu war a jàppale ñi yor transport boobu ci ay oto yu méngoo ak tey ni jamono di doxe amoon nañ d'ailleurs ay minicar de 14 place je sais pas finalement projet yooyu yëpp tam pour ñu xoolaat ko génne ko li ci des dinañ ko xool ensuite ci wàllu stade yi euh, y a réhabilitation reconstruction ci stade départementaux c'est-à-dire que déjà ci programme Le programme est ñu 853 les milliards en charge les les stades départementaux mais stade aussi c'est koy tabax warul c'est pas normal lycée warul def donc il y a quelque chose qui n'est pas normal Moi, je veux bien aider le secteur privé national mooy la ma waxoon ñoom te defoon nañ ko si jamonoom ci consortium ànd leen mais bu fekkee ku ne yor compagnie boo xam ne ou 50 millions de capital ou de capacité bëgg ñu jox la ay milliards marché ce n'est pas possible waaye boo ñu financement ngeen à la tâche. On a bi ñu joxe ñu def parce que aussi état génne xaalis du am résultat du am population populations, du ñu am satisfaction ñu wëlbateeku sanctionné ñu Mais c'est une double peine ça on peut pas soutenir ça moi je vais jamais soutenir des gens qui sont pas capables de de d'exécuter les marchés qui leur sont donnés jamais maintenant il faut les accompagner comment réaliser On on peut pas être là tout le temps ah il y a le lycée de Sanjara. Je l'ai lancé en 2015. Il est encore à l'état de gros œuvre. Vous croyez que ça c'est acceptable Combien de stades, sédio partout on nous le dit Monsieur le Premier ministre, il faut prendre des mesures radicales. Parfois, il faut, il faut, fâcher certaines personnes, c'est pour le bien commun. Il ne faut pas laisser le laxisme nous gagner comme ça gens qui ne, respectent rien, ils prennent les marchés, appels d'offres, ils plongent. Après, pour commencer à négocier des avenants, on leur donne des, des, décomptes, ils disparaissent. C'est pas possible. Soit on est entrepreneur ou on ne l'est pas. entrepreneur il se bat, on l'accompagne. Nous, on est là pour accompagner. Mais ce n'est pas parce qu'on est du parti ou parce qu'on est euh, parent du président ou nous connaissons beaucoup, au fond c'est un permis de ne pas terminer les chantiers non je ne soutiendrai personne tu l'olo. je veux travailler J'appelle les mais il faut qu'ils livrent les chantiers or vous évaluez les chantiers il y en a plein sur l'électrification sur les châteaux d'eau sur les stades et ça c'est pas acceptable sur les écoles il faut une revue globale mais Lolo, d'abord chaque ministre doit faire la revue de son portefeuille dans son département. Qu'est-ce qui, quest qui ne marche pas Et pourquoi ça ne marche pas Est-ce que c'est l'État qui ne paye pas Ou est-ce que c'est l'entreprise qui n'est pas capable Voilà, nous devons la situation de chaque chantier et puis on prend des mesures pour avancer. Il faut arrêter de m'envoyer des noms. Il faut... Je ne peux pas citer toute la salle pas possible Il y a responsable responsables et puis ça suffit j'ai dit pour que nous nous aussi xam leen mais si je veux citer chaque individu ça n'a aucun sens donc je vais may dalal stade pour au moins d'abord les les capitales départementales puisque si leen mon politique dama équité territoriale Madame, nous sommes yemale Nous sommes yem mais nañu nous Nous def ñu yaatal ko ba nga am Nous ci département maison de la jeunesse et de la citoyenneté compte sur l'ensemble des 46 départements comme nous def Kaolack départements, pour chaque département nous def centre de formation professionnelle Si xamné dana am ay filières yu yok comme comme gox bi par exemple le sel bu def centre bi mën nañu bolé métier métiers, métier du tourisme métier de la pêche de la foresterie etc cetera dans chaque chef-lieu de région ben ISEP institut supérieur d'enseignement professionnel là aussi curriculum bi formation on adapté les besoins c'est comme ça qu'on développe un pays mais on met le même format on jàng la même chose comme si nous avait 80% de tout le Sénégal ça n'a pas de sens comment on peut avancer avec ça On pas développer un pays avec ça il faut que nous ñi les ruptures qu'il faut rupture qualitative pour que le Sénégal quand même lu nekk dafa am équilibre mais def la même chose après fu ñu jëlee liggéey après on va dire waaye liggéey amu fi dañu dem ci gaal etc. alors que réew mi liggéey ma fi pour encadrer tout ce budget là on a dit il faut le réorienter dans l'inclusion encore faudrait-il que nous ñi am accès à l'information ce qui ramène la question de la disponibilité des gouvernants la disponibilité des gouvernants et leur capacité à communiquer avec le peuple wax li ñu li leen sant wax li def bu yow li ngay def sax mënoo ko expliquer nit ñi mais comment veux-tu que nit ñi di di di xam loo looy liggéey parce que loo def te nit ñi xamuñ ko ak loo deful ñoo yem comme si tu n'as rien fait tu fais et personne n'est au courant tu peux même pas expliquer def bi kay xanaa moo gën a jafe wax bi au courant kuy kamañ moo fi amoon léegi lan moo am ci courant gis nga tali yi ay kàmbala woon ay marigo nga doon gis ci tali yi léegi partout des routes des autoroutes t'as tout cela a un train t'as et cetera et cetera les universités et on n'est même pas capable d'aller défendre ça on laisse des gens qui n'ont aucune capacité aucune qualité qui ne comprennent rien du tout di wax ba bëgg ñu wër comme ça ci réew mi loolu loolu nag moom ci

qu'ils peuvent semer le chaos dans ce pays, ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Ils pensent que moi, en tout cas, je vais capituler devant des forces intérieures ou extérieures, c'est qu'ils n'ont rien compris. Bien. Moi, j'ai renoncé au pouvoir, mais je n'accepterai jamais, je l'ai dit, jusqu'au jour où je remettrai le pouvoir au président élu. J'espère qu'il viendra d'ici, ce sera vous. Mais moi, dans mon magistère, je n'accepterai jamais le chaos au Sénégal. Jamais. Maintenant, ceux qui veulent le tenter, ils n'ont qu'à essayer, puis on verra bien. Quand même, ça suffit. Qu'est-ce qu'ils pensent Ils vont détruire le pays comme ça. C'est ay wax rek ay fen sos radio télé télé chaque jour radio télé mensonge internet c'est comme ça qu'on va développer le pays. C'est comme ça qu'on va donner l'emploi aux jeunes. Il faut que les gens arrêtent un peu et qu'on s'organise pour sauver ce pays. Dans tous les pays du monde, il y a des difficultés. Tous les jours, vous voyez à la télé, les pays les plus développés sont inondés. Il y a de l'eau partout. Les gens ont des difficultés. Le monde est ainsi fait. Il y a la guerre partout. Ils sont là, le chaos, avec des complicités. Mais filles, ça ne se passera pas ici au Sénégal. Non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent tenter. J'ai vu des, escrocs là, cadres, cadre, massés qui écrivent au président. Moi, je ne vous réponds pas. Je ne réponds pas à ces gens-là. D'abord, il n'y a aucun cadre. Ben, ne sais ou ben cadre signé. Moi, je pas ce temps-là. Comme. Il faut respecter les gens. respecter les gens mais yéen yéen a war a gën a am taxawaay taxawaay pour merci beaucoup pour la dette s'il vous plaît ci mbay mi je crois que Baboukar toujours Babou Baboucar wax nga ci njàqare yi ngeen am ci walu campagne bi waje mais dans may dalal sa xel actuellement gouvernement a structuré ngi structurer un financement ci walu woowu amna 40 30 ou 40 milliards qui vont être destinés aux OPS d'ici euh, le mois de décembre c'est arrivé pour nous faire OPS yi nga xam ne ñoom ñooy def campagne bi war nañu fixer aussi le prix aux producteurs il faut souhaiter aussi que acteurs yëpp yi jënd gerte ñëw parce que comme production bi day yokk mais gouvernement xam nga du moom mooy jënd le gouvernement s'il achète qu'est-ce qu'il va faire de la Il va faire de mbaxalu Saloum ou quoi gerte jaar waaw gouvernement la l'arachide mais nous on accompagne on accompagne. Je suis allé en Chine obtenir que la Chine importe de la Russie. Ce n'était pas évident. Chinois, ils ont dit, ah oui, Chinois, Chinois. Mais il faut que nous aussi. aussi. On voit que les qui détruit, nous avons 1 million, 1,7 million et demi, million tonnes. Mais qui va acheter ça Parce que notre consommation nationale, c'est autour de 350 000 tonnes. Tous les Gerte que vous voyez là, tous les... Tout ça, si tu réunis ça, c'est 350 000 tonnes avec les semences et tout. Les est non rien. Donc, on a dit, on a à peu près les même pas 100 000 tonnes environ. Avant, ils prenaient beaucoup plus. Ils peuvent aller à 150, 200 000 tonnes. Mais après ça, donc maximum 600 000 tonnes. Ils ont 1 700 000 tonnes soo ko jaayul si biti loo koy def et puis mbéy dañ koy def pour jaay donc il faut ñu bàyyi faux débat yooyu waaw chinois yi ñëw nañ bu chinois yi ñëwul musiba am ci àll bi c'est vrai qu'il faut protéger les industriels parce que ñoom it am am nañu ay liggéeykat derrière mais béykat yi ñaata la c'est des millions de personnes donc équilibre yooyu la état di xool pour vraiment am balance mais dinañu jël kem suñu kemtalaay kàttan pour que campagne bi mën a jaar yoon te bu ñuy wax prix plancher mooy prix bi gën a bi nga xam ne kenn mënu ko jënd mu yées ku ko def yoon mun na dal si kaw waaye bu la neex nga jaay si kaw bu ñu ne prix bi deux cent quatre-vingts la par exemple ren xamaguma d'ailleurs lu ñu ci fixé te biñu ñëw fanwer la woon ak juróom yoo xam ne d'ailleurs état bi moo doon joxe presque juróom-ñaar dërëm ci kilo bu ne moo kon changement am na kon bilan bi li imam wax même l'imam son discours est tellement clair secteur boo mënti jël la comparaison mais elle est claire elle est claire mais nit ñi duñu wax loolu ay faux débat ay bilan immatériel yooyu droit de l'homme quel droit de l'homme droit de l'homme dafa tax ngay def lu la neex la et puis droit de l'homme société civile non donc il faut que ñu dalal xelu béykat yi ak opérateurs yi si mesures yi gouvernement bi déjà 100 milliards de ñu ren ci préparation campagne hivernale 100 milliards subvention engrais du matériel agricole etc. cetera ban de l'Ouest autant ci accompagnement donc aussi tout le temps ça c'est le rôle du gouvernement c'est le rôle des partis de la coalition c'est le rôle des politiques de dire politique publique c'est le rôle aussi des directions et des services techniques pas sous l'angle politique ñoom c'est pas des politiques wala même bu politique ñoom service public la ñu def mais war nañ mën expliquer nit politique publique yi nu mu do nañ ko bindee pour que askan bi xam li ñuy def mais bu nekk fi làkk ay français bla bla yow français bi ngay làkk moitié population bi dégg mais loolu mooy yaa ngi sànni sa wax même bu fekkee mooy suñu langue officielle bi ñuy bindee parce que voilà binduñu. alphabet bi ne naa bu ñu ko yombaloon tey Sénégal romb na fii mais ku nekk andi ay xam yu compliqué bu ñu bindalee pulaar mënoo ko lire parce que c'est trop compliqué séeréer ko lire c'est trop compliqué mënoon nañ jël lettre latin yi mu gaaw nga lire ko ni koy déggee mu jeex mais loolu j'ai demandé au ministre de l'éducation waa alphabétisation nañ ñu yombalal l'alphabet de nos langues nationales bu ñu bëggee ñu mën di bind suñuy langue national dem naa bu yàggul keña ak Tanzanie ñoom dañuy bind seen swahili libi amul problème tu l'écris boo demee Malaisie sijaada dañ la koy bindal sijaada yow mi gan boo liiree da xam lan la pourquoi ñun suñu suñ suñu langue yi mënuñ ko bind mu yomb il faut ñu wane ne ñun ay savant lañu def loo xam kenn mënu ko xam problème la loolu aussi mënoon nañu dimbale lu bare bare bare qui développement pour faire connaître suñu langue à l'école dans les universités etc. parce que aussi après 63 ans d'indépendance y a sa langue pour nous C'est mon problème donc c'est vrai débat le vrai débat économique le vrai débat de société ne c'est pas nekk chaque jour sur des faux problèmes au quotidien alors bu loolu weesoo li ngeen wax ci tali le bitumage de la route Cœur Martin Diohine Toukar, waxal C'est séeréer ñu naan waxal jàmm jàmm ah, waxal jàmm Thérèse c'est en cours c'est vrai que nous nga am arrêt bon PSD programme spécial de désenclavement Mais vous savez mais xam nga programme yi dafa am ay procédures qui sont immuables faut que les procédures soient pare décaissement dañu avons de crédit mais après do mon dem tant que le té pratiquement quoi que toutes les contraintes sont levées maintenant ils ont démarré ça va être fait mais nit tam defal ci tali xana bu bi ngeen ko muñ ah? nous on était là à jaxaw da ngay taxaw bu xonk ah? c'était pareil c'était pareil partout du goudron maintenant s'il y a des retards mais nous leen ko te xam ne dinañ ko c'est le message aux politiques parce que si oui nous on veut ça on veut ça c'est bien mais déjà on a fait ça et ça les li aussi On ne peut pas tout faire en même temps même il bi a le bigot de Foucault. il ferait tous de nous des des hommes heureux feebar du am pas du am mais est-ce que nous devons kon nag résilience mooy nga xam ni yëf mais quand même même lekk balaa ñu la koy tegal si ta table dinañu dem wuti di ah, wuti ko si bi togg xaar mu ba mu pare ñu doog la ko servir on veut tout comme ça le Sénégal tout waay casse rek comme ça il faut être raisonnable parfois et on oublie qu'on est un pays en développement aussi je pense qu'on peut tout faire

ngeen jël mbedd suuf bi le temps que ah oui mais il faut savoir ce que vous voulez ah vous voulez c'est un triangle on a fait les deux côtés kenn léegi nañ leen triangle mais muñ leen ba programme yi pare quand même il faut c'est en bonne voie kon a leen di muñ rek mais c'est déjà ça Fatick Niakhar léegi c'est rien du tout D'ailleurs, on a l'université entre les deux on a on a l'école des instituteurs bientôt ils vont se toucher Ce n'est pas le cas pareil pour Djahao, c'est juste 18 km. Nous Nous, demandons dama pour Yenzen Bob, am di devant les doléances ngeen expliquer tout ce que votre régime a fait c'est en voie c'est tout il ne faut pas partir avec euh, le sentiment que oui, oui, oui. Voilà, bu le vaisseau, vraiment euh, chauffeurs et et transporteurs yi nous avons dit xel nous le renouvellement du parc dinañ ci liggéey dëgg pour que loolu mën am euh, am le transport bi mën alors pour le port de Ndaxonga doomu mon fond fa teg muy Paul Sarr Ngor Sarr Ngor qui est le maire Ngor John waaw xam nga Sarr John Diouf yooyu yëpp c'est la même chose sorewanto Ngor John maire de Mbam voilà donc parce que aussi euh, mbay Diame wax na ko waa Fatick léeg ma ne xam leen ne nag Foundiougne a ngi fi waa Gossas ñoo ñu dañu discipliné donc da leen di sóoraale sóoraale leen. mënuñ jël lépp rek xëpp ko benn place muy Fatick kon dañuy indiwaat déséquilibre déjà presque ñu ngi si nañ leen di sóoraale di leen central nag yenn yi tuuti yéen tam lu rek ngeen góolu ko pas comme ça donc mais c'est pour dalal seen xel ci c'est par rapport à la présentation d'ailleurs des, industriels le port de Ndakhonga on va mettre 46 milliards sur trois ans d'abord l'Intichar c'est 15 000 emplois directs et presque 32 000 emplois pour le projet Yoye, investissement donc première année c'est 7 milliards pour la réhabilitation de la gare et le démarrage j'allais dire le comment on l'appelle ça pour Gassad Gédi, le dragage voilà le dragage pour que vraiment celle-ci bi le matériel du monde y compris hydrocarbures euh, facilement et puis il y a aussi les axes routiers moi, Fatigue Ndakonga, Foundiougne Passy et puis Passy Djem, feneen c'est fait et, cette route est presque terminée Fatigue Ndakonga. Fatigue, euh, Passy aussi c'est en cours évidemment nous avons aussi lan est tax liggéey bi di mais donc action de notre connectivité bi la euh, logistique bi y at milliards pour le développement de la zone industrielle et portuaire avec un terminal commercial euh, pour le sel etc., pour 3 milliards un terminal pétrolier pour 13 milliards aussi mais c'est les privés qui vont le faire Nous, on crée la plateforme les routes les privés les plateformes pour accompagner l'action de l'État. Et enfin, année 3B, c'est la finalisation de la zone industrielle et portuaire pour 15 milliards de francs. Donc nous dafa am solo trop trop pour accompagner le développement industriel de la région parce que l'OLU, tam dafa am solo pour l'emploi et pour la création de richesses dans la région. Alors, je reviens donc, euh, mesdames et messieurs, sur... Euh, les conclusions du Conseil présidentiel territorial euh, de Fatigue avec euh, les décisions de ce Conseil. Euh, première décision bu qu'il mën nañ comme ça man moo wax ci wolof war New York, couverture sanitaire ou région Moi, hôpital de niveau 3 bi hôpitaux de niveau 1 ou 2 dans les départements mais aussi

mooy lycée yu bees yi nga xam ne moom la ñu def wuteek nag lycée yu yàgg yi euh, lycée bu am solo la te dafay am internat parce que dañu bëgg accès bi yomb bëgg équité am donc wax naa ministre bi war nañ ci def benn Fatick ak benn euh, dans le département de Podor en Ndioum précisément ginnaaw bu Sédhiou ak bu Kaffrine et puis amoon nañ ay lycée d'excellence scientifique par exemple bu lycée d'excellence Mariama Ba dinañu continuer di def xétu lycée d'excellence avec ak Chibir, ci biir réew yaatal ko euh, aussi xam ngeen euh tabax salle de classe dindi abri provisoire kon lycée Passy c'est vrai que pour man nous defon nañ ko bu yag yag vraiment monsieur le ministre euh, Cheikh il était là tout à l'heure war nañu xool ces lycées là muy Foundiougne Passy Gossas ak Patar Patar Lia euh, yeggali aussi daara yi jàpp daara moderne yi ak euh, lépp lu ñu def ci mais surtout aussi le campus de fatigue, campus de l'université de Saint Saloum El Ibrahima Niass donc boo leen xoolee premier axe bi santé la ñaareel bi éducation ñetteel bi moy ñu développer projet hydraulique projet ndox ci région bi ndax région bi géej gi daf ko jege motax tax nab yi dañu am xorom bo défé forage aussi da fay a wex tuuti napp la am yo xamné comme mbitey mbiteyeen dans le passé wala ñu ngi jëlé ji ndox mi ba noto gu jobas amna quelques zones maintenant nag comme am nañu traitement du fluor ak sel bi comme Fatick lolou tam mën nañ ko généraliser ci yenen dëkk yi parce que wa Gossas aussi foog na am les mêmes problèmes de fluor hein ak wa même yenen dëkk yi même ndiarem et cetera donc méthode bobu bu baaxee mën nañ ko xawa généraliser c'est trop cher ah waaw ba ñu ba ñu euh, monsieur le Président, si vous permettez, aujourd'hui, le, traitement de l'eau à fatigue, le prix du mètre cube, le prix de revient est pratiquement à 1000 francs. Alors, ce qu'on envisage, c'est des programmes de transfert d'eau. Euh, euh, l'étude qui est faite pour fatigue, c'est c'est un transfert d'eau à partir du champ captant de Khombol. Ou bien maintenant, l'autre alternative, c'est à partir de Sadio. Mais Sadio, il faut évaluer parce qu'on est, en loin. C'est loin. Oui. Ce que les techniciens ont dit, je leur ai demandé de faire un dialogue technique euh, avec la SONES parce qu'ils disent que s'ils le font à Khombol, c'est proche un peu du maïs qui est un peu salé. Ça. Et, ou bien maintenant, on l'envisage aussi à partir du transfert d'eau de Malem Odar. Si on, va à si on arrive à Kaolak, si on arrive à Kalok, c'est 40 km. Après, à partir de Khombol, c'est 57 km. il faudra voir si on doit alimenter toute cette région. les, coûts d'investissement seront plus élevés parce que si on fait un transfert sur fatigue à partir de Khombol, c'est évalué actuellement à 32 milliards. Les coûts d'investissement sont plus élevés, mais les coûts d'exploitation seront plus faibles. Bon, on va, on va en discuter. Euh, le traitement aussi doit évoluer. Si on a de plus grandes quantités, les coûts peuvent baisser. Donc on peut regarder les, opportunités, coûts, avantages, pour voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, il faut avoir pitié des populations qui boivent cette eau-là. C'est vraiment très dur. Les nuisances sont visibles à l'œil nu. Toutes les dents sont chocolatées, euh, même si ce sont des dents solides, hein, parce qu'elles ne sont pas attaquées par la carie en général. Mais c'est quand même difficile. Des, des dégâts esthétiques, des dégâts à la limite même sanitaire. Donc je pense qu'il faut regarder et continuer pour le moment, pour fatigue au moins, le, problème. On va augmenter, la, production à fatigue. Hein? Il y a une phase d'urgence. Bon, alors, donc ça c'est le point 3. Point but pour moi, New York, moi, quatrième point B.

si ñombaato ñombaato dag bi moom dana bokk ci priorité yi mais surtout potentiel agricole ak horticole région bi am na si potentiel bu baax a baax ñu ñu renforcer projet yi si mesures yi ñu jël cinquième mesure war nañu accélérer dragage mooy gasaat euh, géej côté Foundiougne même bras de mer bi Foundiougne Fatick mën nañ ko xool parce que loolu yëpp écotourisme la dañ fi def tourisme boo xam ne da nga am ay ay navires yu ñëw de petits bateaux de plaisance nit ñi découvrir aussi yenn façade yi euh, pour renforcer le tourisme donc loolu yëpp mën na am ci euh, wàllu dragage bi ak émergence zone économique spéciale bu Ndaxonga pour que xorom si nekk euh, loo xam ne day indi koom mu bañ a nekk rek lu yàq agriculture ak di indi jafe-jafe euh, ci wàllu ressources pétrole ak gaz aussi comme région bi danaka ma Sangomar fi la bokk ndax mu ngi ci département bu euh, fatigue ci arrondissement bu Fimla, c'est au large maanaam ci géej war nañu xol aussi métier yi nga xamné ne wër pétrole ak gaz parce que bari na lo xamné ne war nañ ko mën def mais nit ñi foog ñu jàngal leen métier euh, si centre de formation yi ci lycée professionnel ak ci ISEP yi su ko defee vraiment dinañ mën a occuper emploi yi tourisme aussi pêche ak yooyu yëpp donc war nañu renforcer mbir moomu la poñ bi si topp nee nañu ñu engager lépp loo xam ne war nañ ko jël comme mesure pour que jën yi nga xam ne dañ leen di yar maanaam dañ leen di aquaculture mbéyum jeun voilà mbeyum jeun defar ay ay mbalka dugal ci jeun après diko nap parce que ci aduna bi tey presque jeun ñuy yi ñuy yar presque mo upp li jógee ci géej kon ñun war nañ mën defar loolu aquaculture euh développer ko pour que nit ñi mën di am jeun fu ñu toll te géej gi c'est pas toujours évident donc loolu mooy juróom-benneelu poñ bi tu vois, l'aquaculture. ak aussi ñu fexé un marché central au poisson deug un marché bi nga ah, de fatik Nous xam kon fekk rek ah, marché marché bu baax aussi bu marché dañu wara def bâtiment yu pas des petits bâtiments euh, comme ça avec ay briques bon boo les cinq ans nous commencé màbb ah, ñu commencé à di rafistole pour war a des des des chantiers énormes un marché avec des hauteurs de plafonds, un marché aéré ce qu'on avait même fait ça si du Gao parce que liggéey bi devaient jaar yoon mais liggéey yoo xam dans le neexuma C'est <laughs> gàttal ensuite juróom-ñaareelu poñ bi nous nañu préserver les écosystèmes exceptionnels de la région xam nga Fatick nag ak Foundiougne bu ñu wax région bi am li le delta du Saloum wala les îles du Saloum taaru na taar boo xam ne li ci metti sénégalais yu parce que c'est des paysages exceptionnels la mangrove Pour demain dans les îles du Saloum Niodior Dionewar des dem des Bassar mais ça n'a rien à voir ak da nga Sénégal donc nous dañ ko wara xamal tourisme aussi def ci promotion mais ñu def aussi ay sites ak ay réceptifs su ko defee nit ñi mën di développer tourisme Le tourisme c'est un moteur ci walu liggéey ak la croissance vraiment un aspect bobu amna solo trop pour nous préserver l'écosystème yoyu c'est-à-dire reboiser la mangrove ak littoral les îles les parcs yalla def na région bi loolu yëpp am na fi rawatina nag département bu Foundiougne parce que c'est c'est un c'est le principal département agricole am na faune am flore am animaux parce que ndox mi fa la gën a bare seen pluviométrie euh, gën gaa néew ay mm, parfois 1000 et quelques donc am na lu ñu mën a def lu bare bare ci poñ boobu bi ci topp mooy point huit bi nan la ñuy renforcer l'exploitation du potentiel culturel fii itam dëkku artiste la ak dëkku art ak dëkku culture muy caada dëgg-dëgg région bi am na ay ay potentiel yu ama am solo ci loolu euh, war nañ leen jàppale amoon na ministre bu dëkk Fatick ministre de la culture Alioune Sène xamoon nañ ko yàlla yokk leeram moom itam bokkoon na ci ñu joué beaucoup sur le rayonnement culturel Fatick amay orchestre da nga ñuy voilà ils ont beaucoup joué sur ça ñoom Nicolas Menem tey jii bu ñu nekkee des chanteurs internationalement connus c'est parce que aussi si jaar-jaar yooyu la woon donc loo gis rek boo ko jiwee mën na màgg et donc Fatick je suis sûr la région peut renforcer ce potentiel culturel, artistique, artisanal aussi, avec les infrastructures qu'il faut pour toute la région, nous devons une zone touristiques d'excellence. Nous avons aussi SAPCO, l'IGFI pour l'aménagement des zones touristiques de la région. Et pour ça, crédit hôtelier, nous avons avec le fonds GIP pour nous relancer et renforcer le nombre de projets yi nous xam financés, moom tel que monsieur Baro nous avons ko waxale fii juróom point Pogne bi war programme spécial de développement urbain pour les communes FATIG, Gossas Funjoun, Diofior Passy Sokone Kouta et Karang particulièrement New new aussi urbanisation ancienne commune rurale il y a maintenant centre urbain Djahao, parce que Djahao c'était la capitale royale du Chine et le triangle Fimla, Ndangan, ndangan Sambo et Djilor donc Djilor Djidiack Djilor Djidiack mooy au lieu c'est dans l'arrondissement de Fimla. mais ce sont des zones époustouflantes Des zones qui le avec la forêt des Rogniers entre Sambadia et Yayem, il faut aller visiter ça Les talents ne ko ba ba nga Palmarin ba donc il faut nous développer potentiel touristique euh, dans ces zones accompagner communes et puis aussi si commune ndangan pardon ak wa wax nañ ko muy Mbam muy Sum euh, muy ci ak Tataguine et wayjur donc manam commune yeb dal war soit ci rural renforcé mais commune yu chef-lieu de département et certaines grandes communes comme Sokon, on à travers Promoville donc il faut que dotation il nos projets nationaux nous ñu aussi à partir de nos plans d'investissement. Promoville piment, euh, PUDC etc. et électrification rurale Il faut bi ñu ait Nous élaborer ay plan yoo plan d'aménagement pour les îles du Salon. Des enclavements des îles aussi par la voie fluvio-maritime il faut ñu xol aussi ni ñuy yombalee dem bi ak dikk bi moytu accident yi nga xamné ne ay réveil douloureux la def parce que gal yi dañ koy défaré soit ñu xol les pirogues en fibre de verre wala ñu xol ay système de transport plus sécurisé surtout si îles yi loolu aussi war nañ ko bàyyi xel ci programme bi euh, créer tam ay ferme agricole ci village île Salomi notamment notamment Il y def aussi un centre de transformation des produits halieutiques Moi, yoxos euh, Yé, Yed yeeg mollusques yi dañ valoriser am valeur ajoutée la ci donc euh, là, couverture téléphonique bi tam nañ da ngeen di yëngal gaañ itam ñu def li ñu war a def ci couverture euh, téléphonique ci avec l'ARTP pour que opérateur itam mën a euh, assumer totalement seen cahier de charge poñ bi ci topp mooy ñu yokk vocation régionale ci wàllu euh, càmm gi ak production animale nous accompagner itam éleveurs yi nous gën a mën a defar seen secteur ñu accélérer maison de la jeunesse et de la citoyenneté ci trois départements yi yu Foundiougne ak yu Gossas xawma ma fu ñu toll waaye bu Fatick tam taxaw na c'est à l'arrêt Adama et ça c'est un problème vraiment moi je c'est un problème Foundiougne et Fatick et Gossas ñoom xawma sax ndax tàmbali nañ seen maison de la jeunesse il faut que maire yi aussi di ñu dimbale yow bu ñu lay indil programme bo xam ne ay milliards lay jar mais délibéral joxe suuf loo xam ne état bi yow suuf si état bi moo la ko moo la ko jox bu ñu la nee délibéral kay warul warul taxaw war a def immédiatement su fekkee nag xejul ci commune bi il faut que les communes voisines jouent le jeu sinon d'autorité l'État peut le faire l'État peut se substituer à vous hein il faut que loolu dem leer parce que loolu c'est les délégations qu'on vous a données et on amène des infrastructures pour les populations. On ne peut pas être bloqué par des délibérations de collectivités. Sinon, les autorités administratives doivent prendre les mesures qu'il faut. On, affecte pour réaliser les projets. Les populations ne peuvent pas attendre qu'on trouve des terrains alors que le foncier est là, l'assiette est sur place, les budgets sont là et qu'on perde une année, deux ans, trois ans pour des choix de, de, de terrain ce n'est pas ce n'est pas acceptable non plus bi ci topp maison de la femme dama xamagul ndax c'est à l'échelle des régions wala de chaque département lañu wax parce que du jël engagement bu ma xamul euh, par département moy ancien SEDAP si yooyu SEDAP xaw da ngeen da ko bëgg a wala yeneen yu bees la yu bees waaye gisaguñ plan yi que ngeen woon ñu plan yi ba pare mais en tout cas war nañ def ay maison de la femme par département ni ñu ko pour jeunes yi stade bu Gossas ak bu Foundiougne war nañ ko mottali stade Massène Sène nag xaw ma fu mu toll ndax est-ce que mu ngi baax am déet je sais pas le stade il est fonctionnel baaxul gars yi nee nañ baaxul de mais mon moom waxoon na ma gazon synthétique dañu ne woon dañu jël gazon bi ne woon Demba Diop jox leen ko donc gazon bi ñëw na. c'est presque c'est presque finalisé le gazon. mais il reste la tribune la clôture et quelques bricoles. tribune tribune man bi fi newoon dafa yàqu. hein tribune bi fi newoon dafa yàqu. non tribune bi ñu commencé te Yegul dafa tribune bu ñu commencé woon te une deuxième tribune. waaw. à l'est. oui en face. Euh, cette année, exceptionnellement, c'est ce que Diamono, quand même, avec euh, Adam Ndour. Waouh Donc, il faut qu'on y yëkkati <laughs> bon on va on va regarder ça mais le sport c'est c'est une compétence transférée. Non C'est transféré, le sport Oui, c'est transféré. C'est le conseil départemental qui gère. Oui, le professeur de droit me rappelle que... Bon, il faut clarifier parce que c'est un point important. Monsieur le ministre. C'est une compétence transférée, monsieur le président. Non, non, elle n'est pas transférée. Il y a neuf compétences transférées, ça n'a pas encore bougé depuis le début de la décentralisation. Donc on ne peut pas entre-temps transférer des compétences dont le chef de l'État n'est même pas au courant. en fait, j'expliquais juste, euh, monsieur le ministre d'État, que les, les domaines ne sont pas transférés. C'est des compétences qui sont transférées dans neuf domaines. Mais ce n'est pas des domaines. Par exemple, le sport n'est pas transféré. Matarba a été ministre des Sports. Il gérait toujours le sport. Mais ce qui est transféré, c'est dans le sport certaines compétences, comme la gestion des stades, notamment départementaux. Dans, dans la santé, la santé n'est pas transférée, c'est une erreur. C'est des compétences qui sont transférées dans le domaine de la santé, comme la gestion des hôpitaux, la gestion des centres de santé, la gestion des postes de santé etc. Donc ce n'est pas des domaines qui sont transférés, c'est des compétences dans des domaines. Et ces domaines, c'est neuf. il, faut, il faut encore communiquer. Nous sommes d'accord. Euh, monsieur le ministre, nous sommes d'accord. Il y a un besoin de communication. C'est la gestion des stades qui sont transférés et la gestion des hôpitaux. Les présidents de conseils départementaux sont, ont en charge la gestion des stades et sont voilà. Non, des présidents de conseil d'administration des Parce qu'on vous critique. Or, vous, c'est la gestion que vous faites. Donc l'investissement, c'est même pas vous, c'est l'État. Voilà. Donc c'est ça. On va quand même veiller sur les stats, c'est un vrai problème. Il faut y veiller c'est un sujet sensible. Petit pour moi, il faut que nous 13e mesure. Nous gëna a taxawal xeyu ndaw ñi ci commune yi nga xamné euh ño nek ci région bi yëpp euh, té ñu fexé aussi mu xaw a yaatu tuuti bi ci moy 14e bi mesure war nañu gëna a yaatal accès à l'électricité mais lolu dafa am programme national bu koy bu koy jël en charge moy l'accès universel déjà dañ ko inscrire comme accès universel pour 2025. A à dire que boo leen ñu dëkk nangam dëkk nangam xam leen ne mu ngi ñëw parce que boo xoolee Fatick léegi bu yàgg ba courant bi léeg-léeg nga toog mu ne xuy commencé wàññeeku parce que ligne 30 kV moo daan jóge fu sore ñëw ñi nekk ci bu réseau bi du am presque courant léegi am nañ ay lignes haute tension fépp Sénégal le réseau est interconnecté au niveau national te dañuy injecté à partir de plusieurs points donc problème mots baisse de tension waratul am bu dorsal yu magi les 225 kV kV, il ligne 90 kV, puis 30 30 pour permettre d'arriver très vite à l'accès universel et ce travail est en cours à travers Sénélec AZER, PUDC et je ne sais quelle autre structure mais en tout cas ce sont les principaux pour l'électrification rurale voilà ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax mais war nañu gën a baral euh, accès à l'électricité pour gox yëpp quinzième point dañu war a yokk yoon yi wax nañ ko yoon du doy ci biir région bi te ñu bàyyi xel toujours équité territoriale c'est-à-dire bañ a def lépp rek ci benn béréb donc département de Foundiougne en particulier département de Gossas bëgg que nous gën leen madame le gouverneur les pistes les routes hein, les boucles il faut vraiment qu'on soit dans l'équité la boucle du log nous on l'a connue étant jeune vraiment c'est une boucle qui mérite d'être d'être faite Moi, le suis jógee jaar Mdorong, en passant par Soum, euh, après est Mbassis, Mbam. Donc beaucoup, beaucoup de faits, donc reliés maintenant avec la route fondiou Passy. Et vraiment, ça, désenclave complètement les îles du Salon. L'idée maintenant, c'est de trouver la mobilité pour certaines îles. Point bi moi moi, programme de soutien à la réhabilitation et à la construction des édifices religieux cité nañu Sokone wax ma nag on n'est pas très fort ce domaine mais bon on a quand même Dîner. Oui, De combien de région Moi, moo tax ñu ngi toog ci boobu ba léegi gars yi taxawuñ demuñu waaw waxtu julli de ah. la garaawul pour nous <laughs> donc ici mais quand même war nañ leen bàyyi xel ci wàllu édifice religieux war nañ leen bàyyi xel aussi si ndimbali état bi di def man bi may nekk ci gouvernement bi d'ailleurs chaque fois dama ko da wa ñun on n'a pas de xalif mais quand même ci réew mi lañ bokk donc ceeb bi ñuy joxe yeb da fay romb rek parce que wuñ ay jang bon quoi que légui quoi que légui dina am ay jang yu ndaw ci de qui mais il faut nous bailler quelque quoi dans le soutien à apporter aux religieux qui sont dans la région notre grand de grands foyers comme comme Sokone comme euh, hein fan Njourbel Sine Ndiambour Sine effectivement bon point bi pour moi euh, nous renforçons notre sécurité Nous avons le maillage sécuritaire de la région nous ñu ngi zone numéro 3 de armée bi couvrir les trois régions On renforcé le maillage la gendarmerie école pour les sous-officiers la police la douane parce que frange maritime la une frontière à Gambie les eaux et forêts les parcs nationaux donc axe 3 bi faible plan donc axe 3 c'est à renforcer ensuite la construction des préfectures sous-préfectures dans toute la région et la sphère ministérielle enfin sphère régionale euh, d'ailleurs que je lance demain ici à Fatih. c'est déjà demain parce que une heure du matin au moins deux heures trois heures moins donc si même tout. parce que c'est déjà déjà le matin alors enfin 17e mesure oui c'est déjà ça Il Faut donc vraiment renforcer l'axe 3 Moi, paix gouvernance et sécurité pour que aussi nous nous york nous, ci région euh,

avant nous mener mettre en œuvre immédiatement euh, ce programme. la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code des collectivités territoriales modifiée en son article 308 relatif aux compétences du département met les stades régionaux à la disposition des, des dites collectivités territoriales. Oui, c'est ce qu'il a dit. Elles sont chargées de la réalisation, la gestion et de l'entretien des infrastructures sportives. <laughs> Mais, moi, je veux dire, neuf compétences dans le monde, pour le moment, il faut Sinon, le ministre secteur général de la présidence, qui a l'orfèvre en la matière aussi voilà donc mbokk yi li me donne, vraiment le conseil présidentiel territorialisé bu Fatigue. bii nag dafa xaw a rax parce que fatigue la xam nga ñi fi jox euh, dafa une certaine dose euh, d'émotion évidemment man fii laa judo suis donc c'est ma terre natale je suis fatigué. Fatick te ñaanuma ko yàlla yal na yéex ba mu fi jógee nañ may denc yal na yéex comme on le dit c'est ma terre natale donc forcément c'est un lien particulier c'est un lien particulier sama diggante ak waa Fatick waa Sine ñun ay doomu maam Mindis lañu moo tax n'ak bo gisee waa Fatick bo boo nga bàyyi ko muy dem

ñu wàññi coow bi te xam ne ñoom dañu war a ay exemple nous ils doivent porter tous les combats am bu ñu même bu ñu amulee li ñu li leen gënal waaw ñu ñu fekk leen en avant dans le combat Lolo, Matar mooy li ñu xaar ci fatigue, surtout la jeunesse de fatigue. te ñu xam beaucoup a été fait beaucoup xanaa lepp mënuñ ko def tey Sénégal lepp lañu wara gérer il faut on n'est pas là que pour Fatik, sinon on serait président de la République de Fatik, enfin président du terroir de Fatik. loolu moy pré mooy ay président de conseil départemental maire boo xësee nag jiite réew momato sa bopp te sa wa gox momatuñu la loolu foog ngeen sóoraale ko waaw ah, ñun Fatick ngam ah, nangam nangam Fatick ah yéen ak ñëpp a pour développer ce terroir comme d'ailleurs nous avons l'ambition de développer tous les terroirs du pays mais il faut que nous ñi nous nous c'est ce que je voulais dire